tey ñu ne transfert muy cordon ombilical entre douaniers yi ak commerçant yi tey nag seen jafe seen secteur bi tey ak jafe-jafe yi si dégg confinement bi ñu jëm ak yu ñu jafe-jafe Covid bi. waaw hmm. c'est vrai que les transferts sont ñoom ñooy cordon ombilical entre les importateurs ak euh, l'administration des douanes parce que nous sommes les commissionnaires agréés par la douane ñun la douane agréé pour ñu dox seen diggante importateurs yi. donc depuis on a remarqué depuis un certain temps ça fait bientôt presque un mois et demi que activité dafa gën a métti bon mu metti avant l'arrivée du Covid 19 parce que bon au mois de janvier pratiquement 35 des importations presque sur le secteur informel Chine Chine lay jóge eu un certain instant de dañu vacances mais ils ont vacances une semaine après ci le déclenchement au feebar Donc, donc déclenchement de la ñëwee ñi nga xam ne dans daan jóge di pour parce qu'il y a eu restriction entre les pays ba fini euh, euh, barrières yépp dañ leen a fermé woon deuxième chose mooy ñi nga xam ne mooy administration des douanes te aussi dañuy générer li nga xam ne mooy 40 pour cent du budget de l'État boo amee une chute vertigineuse sur les importations dafay répercuté wu ci ñoom bon état nag am na ay subterfuges yoo xam ne mën na fa jaar pour pallier à tout ça mais comme ñun affaire douane ak affaire importation moo ñu concerné ci côté boobu la ñu mën a wax ñun ñi nga xam ne aussi ñooy transfert yi on a des difficultés parce que les importateurs importent importé nous nous duñu liggéey ñun ñooy parce que nous sommes intermédiaires intermédiaire douane donc du moment qu'il y a ruche sur les importations forcément des métti ci ñun donc on ne parviendra pas à joindre les deux bouts parce que moi j'ai des clients qui ils avaient ils avaient prévu des des chargements Des chargements ils mënuñu fexe ba mu parce que si les pays qui nous touchent l'Italie l'Espagne surtout le port de Valence nga xam port de transbordement de mal yu bari bu ñu jógee Chine fa la ñuy pratiquement navire jugatul foofu parce que ñoom ils sont en confinement total donc le problème là en France aussi même chose parce que port Havre aussi port de transbordement la donc ce fait que France aussi dafa nekk en confinement total secteur porteur bi aussi dafay bloqué donc il y aura pas des importations les conteneurs ne viennent pas les véhicules ne viennent pas donc te répercussion boobu day dal suñu kaw day nasaxal suñu liggéey mais comme c'est la situation qui l'impose on ne peut rien faire on est obligé de suivre voilà c'est ça. tey actualité bi situation actuelle seen secteur tey lan yaakaar ni ko defee au moins bu bu bu dina wàññi métit bi situation bi ngeen dund yëpp. bon je sais pas xam nga état moom mooy organiser réew ñun on est dans le secteur privé donc forcément dinañ am ay manque à gagner am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba ba ngoon jot ci transit bi la ñuy liggéey ci la ñu yor seen kër ci la ñuy joxe seen dépense su fekkee ne confinement bi dafa parce que boo xoolee léegi heure de travail c'est réduit ñun li ñu daan liggéey par exemple ci 24 heures déclarer un conteneur livrer dans les 24 quatre heures ne ko def parce que les dañuy jël quarante 48 heures à 72 heures pour livrer un conteneur dans les compagnies de consignation telles que Dubai Port World MSC et toutes ces compagnies de consignation aussi yi nekk aussi ils ont des problèmes parce que ñoom tamit réduire ces heure de travail à 15h, 36 seize heures Nous dañuy arrêté la majeure partie de leur personnel est leen dañ confiné ni à distance ou bien sur le mail ce service donc c'est ce qui fait que franchement il y a problème partout au niveau du secteur, au niveau du transport. Les transporteurs aussi, ils ont des difficultés parce qu'au-delà euh, de 18h30, personne ne fait plus d'enlèvement au niveau de Dubai Port. Donc, on arrêté. Le port de tourner 24 h sur 24. Donc, si vous le matin entre 9h et 18h, soit tu enlèves ce conteneur, tu le gym. Et s'il y a des magasinages et des surestaries, il n'y a pas de mesure d'accompagnement, tu es obligé de payer. Man malheur ni, tay tay tay tay, fait une 141 000 francs, yo xamné, <coughs> lol moko indi retard liggéey bi fayna un magasin 72 000 et quelques yo xam dafa teguwaat ci frais de débarquement te waruma ko woon fay mais fay ko parce que mënuma ci dara. par conteneur. par conteneur parce que les compagnies ne suivent pas ce fait qu'une compagnie aussi effort bi état bi def c'est réduire son temps de travail Nous avons réduire temps de travail Nous savons qu'il y a des conteneurs qui devaient enlever aujourd'hui obligés obligé faire parce qu'il y a un problème de timing Nous devons apaiser les les frais de débarquement mais nous c'est des privés ils se disent que travaillent ñu ngi confiner leen je sur les meilleurs services donc xale yi bu ñu demee ci compagnie ils dañuy des fois policiers ils dañu fay ne parce que rassemblement bi la et la police a raison parce que instruction est au niveau du ministère donc il y a un problème il y a un problème. tey nii euh, mesure d'accompagnement yi ñu ko rendez-vous lan nga doon conséquence bi si ce secteur. oui sur le secteur que ça soit la douane que ça soit les importateurs que ça soit nous avons un problème économique c'est normal Les importateurs ils nous déclaré que douane du mën encaisser les recettes Les recettes yooyu douane da ko soxla douane bu ko parce que état bi parce que nous dañuy ce qu'on appelle un programme annuel de budget état ont da leen wax soxla temps de ci milliards pour l'exercice 2019-2020. Mais ce fait qu'il y a une baisse vertigineuse sur les importations fait forcément des répercussions. Nous aussi c'est des soldats de l'économie état ont da leen instructions il faut que nous tam que mesures de sécurité ci confinement bi xam ñom tam yeen heure lañu liggé nan lañu duggé ci bureau douane bi ñi ñoo wara dugg nañu xaar réduire aussi mm, société commissionnaire agréé aussi ñu informer leen parce que dans ce sens y xolé yaay note du de la direction générale des douanes signée par le directeur général qui a organisé par rapport au travail dans les bureaux pour xam comment on va faire pour bon il y a aussi le mail service il y a aussi le, le, système Gaindé. Il y a la ligne Internet qui nous parvient pour des fois. S'il y a des dossiers à diligenter, on peut, ils peuvent le diligenter à distance pour la rapidité. Donc, doit nous organiser. Mais nous, le secteur transit, nous organiser nous, parce que le secteur bi ñu nekk ku nekk sa donc il est privé lañu ku nekk sa intérêt personnel nous devons nous réunir xam ban disposition pour mën a xam nan la la douane s'est organisée l'administration sénégalaise s'est organisée et je suis sûr que les commerçants sont en train de s'organiser ou bien ils se sont déjà organisés les transports sont organisés, organiser mais nous, sous les transferts ku nekk dem de gauche à droite toogu ñu xam nan la organisés, organiser programme bi nga nous sommes la douane génne Nous xam aussi nous nan lañ ciy Pour ba ku ci en sécurité liggéey bi mën a gaaw ku fait. sa est-ce que a commerçants parce que il généralement commerçants une, il permettre am industrie ñu am euh, matière première yi ñu est-ce que sant leen benn rupture au niveau de de de de ces activités là. oui parce que xam nga Sénégal mooy li ma la wax informel amul ci dëkk bu mu amul mais l'État ne dépend pas de l'informel pour vivre industriel yi li ñuy importe li ñuy am li ñu indil état bi en matière de dédouanement informel bi indiwu ko. soit quoi informel 7 du budget de de la douane lay indi en majeure partie c'est le secteur formel qui amène fait si le secteur amul est am ay pour faire ce qu'on appelle la transformation des matières premières en produits finis mais effectivement va répercuter sur le marché national donc il y a un problème actuellement je vous dis que a amul amul formel amul informel secteur d'activité dans le domaine de l'importation, importation peut plombé parce que nous, nous sommes pas un pays à 90% d'exportateurs. Nous sommes un pays à 90% d'importation. Donc nous, nous importons plus que ce que nous exportons. Donc on, on ne vit que sur l'importation. loolu moo dépendance baaxul On tax sur importation yu ñëwul produits yi ñëwuñu intrants yi ñëwuñu matières premières pour que l'industrie yi mën transformation pour mën ko indi sur le marché local a un blocage partout. est-ce que a ni situation bi soutenable jusqu'à un mois deux mois. Ah, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, parce que c'est très difficile. Moi, je, <laughs> je n'ai pas le monopole total sur l'activité sur économique mondiale, mais je sais que ça va être très difficile pour le Sénégal. Trop difficile même. Parce que trois mois, nous les importations sont bloquées, il y a une chute vertigineuse sur les importations, que ce soit à l'industriel que sur le secteur informel. Non seulement dans les métiers nous, dans les métiers importateurs, dans les métiers industriels, dans les métiers État. Parce que l'État ne vit que de taxes et que la douane fait 40% du budget de, l'État. Donc, ce n'est pas une petite affaire. 40% du budget de l'État, il y a un secteur, secteur euh, portuaire, il y a un transit de Guinée-Mel. Mhm. Euh, lan yaakaar ni ko état bi defoon tey il y a acteurs qui ba ngeen mën a tenir situation bi sauver emploi aussi. bon actuellement man je me dis que ne devons pas war a je n'attends pas que l'état nous parce que nous, ñi aussi dañu nekk secteur d'économie peut-être que y dimbali ñu nekk ci domaine transit peut-être ñu ngi peut-être di am sax lo xam yeneen secteurs ko et que j'ai vu que le président de avec son fonds de Covid 19 il a besoin de 1000 milliards bon il y en a certains transferts qui ont donné donc moi je demande au commissionnaire agréé, yi nga xam dañ fi nek ñom ñep ñu participer ku ci am 100000 joxé ku ci am 10 000 ku ci am 25000 joxé mais on fait un geste parce que réew mi mo toll Rien réew bu tollo ci nakar ak difficulté ak on est en guerre avec un virus te guerre boobu Sénégal yëpp dañ ci wara duggal Nous loxo ñun tuñu taxaw di demander à l'état ñun ñoo wara jël li ñu am jappalé état mu xol li ñuy xéxé ku nekk mën il faut faire des sacrifices quand on est citoyen quand on est patriote man tay secteur privé la yor suma sañon ma wax état bi na ma injecté ben 10 millions wala 15 millions ma mën ci souffler fi trois mois mais c'est pas c'est pas la solution qui règle le problème parce que ñun buñ ko demander yeneen secteur d'activité demander ko qu'est-ce que l'état va faire du ñu état industrialisé amuñu ay industrie yoo xam ne mënuñu général ay milliards pour mën a xeex bi pays importateur lañu li ñuy importer ñun di bokk secteur bi di ku nekk di ci am sa wërsëg ku ci nekk mën nga hall dara jox état bi ñu au niveau du ministère de la santé au niveau du ministère de l'intérieur nu ñu encadrer pour population bi encadrer santé bi pour au moins ñu xeex feebar bi mu jóge fi dans les plus brefs délais mais su fait ne ku nekk da ngay xaar état bi defal la dara feebar bi mën na fi mois du du fi ah, parce que l'état n'aura pas les moyens de combattre ça et ça va continuer à, s'empirer. Il faut que nous trouvions une solution. Merci. C'est moi qui vous remercie.